Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. Le président de la République, M. Macky m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent et assurer la coordination à ses côtés, sous son autorité, de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le président de la République a toujours eu confiance en moi. Et on a cessé de, il n'a cessé de me signifier, et de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Il en a longuement parlé hier. De la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent, la vision du président qui sera mise en œuvre. Konboki, Mangui, remercier le secrétaire général bi Balalou, le président de la république Macky woo na ci suba si bëgg ma ñëw ci wetam en tant que premier ministre pour li nga xam ne yéene na ko Sénégal li nga xam ne mi ngi koy def Sénégal ma bokk ci ñi ko ciy jàppale. may sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi di sant président de la République ndax confiance bi yàgg na. nekna directeur général des impôts et des domaines nekna ministre de l'économie et des finances. woo na ma ci suba si bëgg ma ñëw ci wétam en tant que premier ministre pour li nga xamni ne ko Sénégal li nga xamni mi ngi koy def Sénégal ma bok ci ñiko ko jappalé may sante yalla bu baax a baax baax di julli ci yonent bi di président de la République la confiance bi directeur général des impôts et des domaines nous le ministre de l'économie et des finances nous le ministre de l'économie des finances et du plan nous le ministre des affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur Mon côté centre, di ko lii nga xam ne yaakaar na ko ci ñun ñu nag ñi nga xam ne ñun ñooy ànd ci gouvernement bi ñu mën cee def lu ëpp njortam loo xamante ni dina jariñ réew mi yëpp ndax loolu rekk la soxla la nga xam ni wax nañ ko ko mooy am na ñu yéene liggéeyal ko liggéeyal réew mi ñu ñaan yàlla ci xalaatam mu rafet mu gën ñoo jàppale ndax la mu bëgg yëpp yéene ko Sénégal te ñu xam ko mu mën koo def la nga xam ni soxal na ko nag muy lu jàmp mu